Sénégal bonjour et qui disait Tchafengi fangi tchafengi fangi ma en tout cas Wolf Quotidien Wolf Quotidien Indiqué coloration politique et cumul de mandat nomination et eh bien nomination polémique à la Sénat et sur ce point sur ce point il y a l'info quotidien qui affiche à ça une nomination des nouveaux membres de la Sénat le décret et eh bien le décret de la polémique décret de la polémique jam bon dans Tribune quotidien on peut lire nomination des 12 membres de la Sénat Abdoulaye Sila membre du Conseil constitutionnel nommé le décret scandaleux action réaction Bougal dit eh bien, Bougan ou le bulldozer, le bulldozer du landéro politique sénégalais, juge, eh bien, juge illégal de chez illégal, le décret de Macky renseigne tribune, le journal de souligner, l'autre journal de souligner, le coup de pied dans la fourmilière pour ne pas dire, le pari dans la barre, signé le leader de Gumpsebop à savoir, il ne peut démissionner du Conseil constitutionnel sans suivre la procédure stricte prévue, eh bien, prévue par l'article 5 de la loi organique. Bon, en 2017, Cheikh Awa Bala, président, eh ben président du mouvement de soutien TGV à pour la élection de Macky Sall en 2019. Ainsi, et eh ainsi, il y aurait Anguille sous roche. Et eh il y aurait Anguille sous roche au regard, et eh au regard de ce que souligne Bougan autour, et autour de la nomination des 12 membres de la Sénat. Renseigne clairement et nettement, renseigne clairement et nettement tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il y a dans Wa Grand Place, dans Grand Place, un fait. C'est-à-dire Bougan Gedali et bien, recuse les nouveaux membres, mais les nouveaux membres de la Sénat. Ainsi, Sawai, le leader de Gobsobop, le leader de juge le décret de l'ordre nomination illégale de chez illégal. Informe moi Grand Place, le journal en tout cas dédiqué le cas, et eh bien le cas du nouveau président Abdoulaye Silla, membre, et eh membre du Conseil constitutionnel nommé, et eh bien nommé par décret numéro 2018-21-26 du 6 décembre 2018 pour 6 ans. Échec Awa Bala de TGV pour la réélection de Maki en 2019 signalé. Un fait que signale également direct du ce matin dans le journal. Il est question, et bien il est question de la sortie au vitriol, de la sortie au vitriol du leader de Gom Boukal dadi autour, eh autour du décret de nomination de nouveaux membres de la Sénat et l'interpellation eh bien, et l'interpellation Kourbaïfal et Bouride de Sawaï qui sans contour dit des tout dira il, euh, Wallahi euh, euh, président eh bien, président en 2024 je ne voudrais pas alors là pas du tout du tout du tout d'une jurisprudence malencontreuse spécialiste du droit éclairer notre eh bien, éclairer notre lanterne dira par la suite eh bien, dira par la suite Boukal Gaydadi nous livre direct du ce matin ce matin eh bien, ce matin il y a dans le mandat quotidien les touilles, touilles, touilles signé Bougan Gaydani autour, eh autour des nominations à la Sénat. En tout cas, Sawai, le leader de Gomsebok, Bougan Gaydani en l'occurrence, eh liste les erreurs de Maki et exhorte les juristes d'éclairer, et eh bien, déclarer la lanterne des Sénégalais. Aux Sénégalais et aux Sénégalais, il y a Sud Quotidien, il y a Sud Quotidien qui nous renseigne en tout cas que la polémique, et bien, la polémique enfle. Polémique autour de quoi même? et bien, autour du refus, du refus d'exécution de la décision du président du tribunal d'instance de Ziguinchor concernant, eh bien, concernant Pros, la porte du bourreau Ousmane Sonko. Polémique, eh bien, polémique également sur la nomination de nouveaux membres de la SEDA. Et là, et là, et là, retenons, eh bien, retenons ce que nous lit Sud quotidien, à savoir, la attaque en justice le décret de Macky Sall. Aussi, val Ndiaye relève, eh bien, relève son caractère manifestement illégal de chez illégal. Informe, eh bien, informe Sud quotidien ce matin. Ce matin, le journal de renseigner que Sawai Bougadier eh sort des missiles Scud et des Tomahawk, histoire de recul et eh bien de recuser Abdoulaye Silla et Awa Bala. Nous lisons Et eh bien le livre Sud Quotidien, le journal de renseigner également que Sawai Ismaïla Badior Fall, Ismaïla Badior Fall recadre, eh bien recadre Ndiaga Silla, Ndiaga Silla qui réplique. Bon, au-delà des tons tout forok par-ci, des ferment par-là, des Berebouke Mbab ici et là, il y a le quotidien Yor Yor qui sans une d'une interrogation. En tout cas, violation persistante de la loi par la DGE, nomination irrégulière de nouveaux membres à la Sénat. Le pouvoir, et eh bien le pouvoir veut-il réellement réellement, réellement aller à l'élection présidentielle, en tout cas présidentielle, présidentielle 2024, le point actuel, et eh bien le point actuel cherche à savoir, histoire de faire savoir, mais à qui, mais à qui profite le report de l'élection présidentielle. Bon, d'où l'intérêt du point actuel de nous apprendre, et eh bien de nous apprendre que Ndeketeyo, Ndeketeyo, pour faire face à ce tohu bohu, pour faire face à ce tohu bohu, il y a Ali Untin, Ali Untin, toi le ministre chevronné de son état, qui appelle, et eh bien qui appelle au dialogue appel au dialogue diable. Pendant ce temps, tribune quotidienne, tribune quotidienne accroche un candidat à la présidentielle. De qui s'agit-il, wa eh bien, de Mohamed Sambou. Mohamed Sambou, qui se prononce également sur la nomination des nouveaux membres de la Sénat. En quoi faisant Eh bien, en déclarant, c'est un constat. Un constat qui sème, eh ben, qui sème le doute, eh bien, le doute de l'incertitude. Bon, interrogé par Pape Boussa Traoré, bon confrère, eh bien, bon confrère de tribune quotidienne Sawai. Mohamed Sambou, candidat à la présidentielle, président du grand mouvement, la grande relève, de soutenir, nous proposons un modèle de gouvernance, un mécanisme de fonctionnement et un système de gestion neuf basé sur une approche expérimentale axée sur le résultat. Cela passera, et eh bien cela passera par l'organisation, la méthode, la transparence et la performance de toutes les institutions et du gouvernement. Et eh bien dira également Mohamed Sambou, candidat à la présidentielle de 2024 et président du grand mouvement La Grande Relève dans Tribune quotidien ce matin. Ce matin, le journal du groupe D, a au chapitre, eh au chapitre des parrainages, affiche, mais affiche ce qu'a fait, ce qu'a fait monsieur le DG du Crous, SIN Saloum Sawai. Le professeur Ousse Diop, par ailleurs, maire de Sibassor, a déposé d'après tribune un lot, et eh bien, un lot de 20 000, et bien, de 20 000 parrains. Informe, et eh bien, informe tribune quotidienne ce matin. Et eh bien, ce matin, le point actuel, toujours au chapitre des parrainages, mais cette fois dans le baol de nous dire qu'en réalité, des réalités, plus fortes que Pape Modoufal de il n'en existe pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout. En tout cas, de confirme son hégémonie et son leadership. Et bien, renseigne et nettement le point actuel, Le journal, en tout cas, eh bien, le journal, en tout cas, pour ceux qui relèvent toujours du parrainage, dans le baol de renseigner, dans le baol, le parti Rassemblement pour la vérité de Gomorrah a obtenu 24 24 254 parrains grâce, et eh bien, grâce à Pape Modou Fall. Au regard de ce que révèle le point actuel, l'actualité du moment. L'actualité du moment, c'est ce que nous livre également l'As quotidien. Le journal de parler de Sargal Makissal à Fatik, capitale du Sine, histoire de titrer Thérèse Faye réussit le pari de la mobilisation. En tout cas, Direct News pour ça d'indiquer également Sargal, président Macky sur impulsion de Thérèse Faye, le Diokondial, le du SIN a fait date au même moment. Direct News parle de 2500 kits, 2500 kits scolaires et 2000 tables bancs remis au potage du Saloum. Ainsi, celui qui a confirmé son leadership à Kaolach, à Glikower, c'est Pape Mademba Bitei, et eh bien renseigne Direct News. En tout cas, Pape Mademba Bitei, comprenez Borom Kaolach à Glikower, et également à la une de critique ce matin. Ce matin, le journal de révéler remise Remise de kit scolaire et renforcement de son leadership des Mabité fait d'une pierre deux coups. Ainsi, eh bien, ainsi, Borom Kaolah Aglikower, comprenez pas c'est comme qui dirait le porte-étanard de la mouvance présidentielle dans le saloum au regard du titre de critique ce matin. Et là aussi, il y a deux minutes pour lire l'essentiel qui parle d'augmentation. Eh bien, d'augmentation des prix, histoire de titrer le port, eh bien, le port mort, eh bien, mort les consommateurs. Action, réaction, il s'agit pour le journal. Deux minutes pour lire l'essentiel de nous renseigner que Ndeke on va vers un arrêt, un arrêt de travail dans le secteur portuaire et les travailleurs interpellent l'État. Pendant ce temps, Vox Populi de parler de bras de fer, bras de fer en vue dans le système éducatif. Et là, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui est prêt à en découdre avec les grévistes du SAEMS et du QSEMS qui prévoit, et eh qui prévoit une journée école morte. École morte ce mardi. Nous, notre intérêt, et eh nous, notre intérêt de prendre enquête quotidienne pour terminer le journal de parler de grève, de grève des enseignants, histoire de révéler l'école l'école, eh bien l'école entre la vie et la mort, et c'est peut-être avec la mort dans l'âme. C'est peut-être avec la mort dans l'âme que Mela Tidong, Mela Tidong de Tchei Allah. Founou Djabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Dikatina! Wolof nee na borom boutique mbagg boo gis bo xaree xol ba magasin la ci fek yor yor yene kay nan man lan mo nek tay ji ci xol ak de nguurug Sénégal ndax nak deug deug nguurug Sénégal bëgg na dem ci les élections ndax nak buñu né nee dañoo Sénat Jélé Abdoulaye Sylla ci conseil constitutionnel yobu Sénat Cheikh Awa Balla Ibra Fall apériste Serigne Modou Awa Ndiaye candidat la woon bu APR ca commune bu Mboos te amul ndam Seydou Nourou Ba ñu daal di koy dàq laata mandaam di jeex dama ne ndax nguur gi fi mu toll nii provoqué wul opposition bi point ak ci naan man coow la ca pëndum teen ba gaañ amul baaga waaye nguurug Sénégal gii ndax rootul rootaaleel yenn ci opposition bi coow la mooy nag ndax bu ndàqee élection yi ñan nag ñoo cay ndaga ndagar wala daal jaayu wi ñaaru teex teex may ree ci suuf mbaadu nag du ña nga xam ne nag daal dinañuy mer ca suuf ci président Macky Sall tabb gii mu tabb ba Amadou Ba wala it Ousmane Sonko mi nga xamne japp nañ ko daldi di faase turam ti liste électorale bi daldi sayel partem bi di Pastef wala it Karim sa wad mi nga xamne ne ak fanwer ak juroom ñet ci milliard la yoral état Sénégal te bu ko fayul du bokku wala it Barthélemy Diaz mi nga xamne jël nañu jaasi tek ci ndodam te nguruk Sénégal mëna a bopam à tout moment Bougane gey Dany mom buñ ko daxé du avantage am Idrissa Seck Khalifa babakar Sall buñ ko daxé du sen avantage ndax ñi ngi jégué nak at wañu tabal ñi nga xamne ñoo nek candidat candidat Alioune woote dialogue en mbir mi taq na suuf tribune yéen kaay ma li gën a taq suuf kay mooy lii fukk ñaari membre yu yi nga xam ne tabb nañ leen Abdoulaye Sylla mi nga xam ne ña ngi ko jëlee ca conseil constitutionnel diri rongom rongom mi daal di andi ca sénat dëj décret boo xam ne daanaka scandale dong lal ndax ci 2017 Awa Balla mi nga xam ne moom la ñu wutul Abdoulaye Sylla moom Cheikh Awa Balla moo jiite woon mouvement de soutien TGV Ndiaye dana ci yene kay bi nan kon tab gi jaarut yoon te sall faaw nga wax ñu fo tek sa tab gi rew mi ko dijee nan kon en tout cas xel yaa ci tambale tàmbalee l'indépendant yene kay nan kon ba ci ñeuk moy bu bugan gay dani le mandat yene kay nan kon mom jital gem sa bop ma ngay tambale nak wagne ben par ben erreur yi nga xamni ni président Macky Sall def nako 24 heures yene kay nan kon gey kay ma nga nan kon président la bëgg doon 2024 te bëgguma nak sama xel bi daldi di jaxaso jurisprudence nak at wii daldi am 2024 ak at ya sa top motax nak spécialiste yu droit yi dama bëgg yeen ngeen léral sénégalais yi li président Macky Sall jëlub dogal fan la l'info yéen kay nan kon gannaaw njaga la ak Amadou Ba Pastef docteur Babacar Diop ma ngay nakarlu salfañe gi bugaan géy dani nan leen léralal leen nu seen salfaañe gii fu ngeen ko tek ma nga naan leen it ak ma samba sàmba ak ma demba waaye nak yotu gi may yotu réew mi tax na ma bëgg xam te yeen ñi sen xam-xam màcc ci walu yoon yéen may léral li mom Abdoulaye Silla 2018 dañ ko tabb ci conseil constitutionnel juroom ben ni at la wara def ci mandat mandat ba nak wara jeex 5 décembre 2024 Mom Abdoulaye Momé meunta teki ndombal tankam ci conseil constitutionnel ludul nak dafa jaar ci article 5 bi nga xamné conseil constitutionnel tek nako ci article 5 bobé dafa né kenn meunta gindi kenn ci conseil bobé ludul sa mandat dafa jeex bu da nga bëgg démissionner mom conseil ba da cey wax dal di koy publier nak ci site ak journal officiel bi dara amu ca wala bok gisunu ko té ko xamné ya nga won ci conseil constitutionnel dal di bokku ci jiixi jaaxa ba amoon 2019 ci élection présidentielle ya amaat ci législative 2022 yi ndax kookee nag mën nañ ko tabb ca xol fa ñuy amalee élection ci réew mi beneen bi mooy Cheikh Awa Balla 2017 mani la moo taxawaloon TGV ca Géejawaay ne président Macky Sall la bëggal beneen mandat 2019 beneen cas ba moom moo di bu ambassadeur bii di sey Seydou Nourou Ba moom mi nga xam ne moo wutu woon Mamadou Mbodj bu forum civil tey jii nag ñu daal di koy faase te code électoral ba daal di leer buñ ca toppee la code ba wax moom ambassadeur ba mii kenn mënu koo faase nii coow li kay bugaan gay dani ne fan la ñu teg tabb gu yees gii nga xam ne tabb nañ ko ñi nga xam ne ñoom la ñu teg ci boppu Sénat gi Le Soleil yéen kaay nan kon en tout cas sa Aïssata Tall Sall garde des Sceaux nee na nag moom justice su réewum Sénégal dox rek dana dalal ñamu war a dalal ñëpp waaye dox rek l'évidence yéen kaay man waxtu woowu gaa yaa ngay def kéemtalaay kàttan ba pare ne Amadou Ba loogu njëkk bu ñaar fukk ak ñeent junni ci parrain toftal ñaari téeméer juróom fukk ak ñeent dëgg moo wóor bu Pape Modou Fall jébbale na ko ca diwaanu Njaareem te sabab gi moom fexe nag ba fal Amadou Ba mii ci boppuk réew mi turbine yéene kaay nan man ce diwaanu Kaolack it Samba Tall bu jaspo seen daal nay ñaabar ñaabari dem fekki Benno Bokk Yaakaar daal di dajale ñetti junni ci parrain yoo xam ne daal dina koy jébbal Amadou Ba ca Kaolack jàppale nañ ko weer ak juróom ci groupement féminin waaye tam ñoo xam ne ñi ngi bokk ci ay mouvement di ay junni junni Kaolack waa Samba daal di ànd ak mouvement ak sympathisant fas yéene dooleel Amadou Ba laas yéene kaay xamal ma ni Omar bun Xataab si laa njiital Dakar dem dikk woon day ma ngay tàmbalee nag wax moom Omar bun Xataab Sillaane su ma jugewul woon Dakar dem dikk faatu fa yàllaahu laay def Omar benn Xataab Sillaane la ma andi gàllankoor ci sama liggéey mi ngi fii ci Louga mystique nan ma ngir ma faatu antuwul Omar ne daanaka joyanti naa Dakar dem dikk ay innovation am fa te man IGE musuma teg baaraamu tuuma terewul président Macky Sall dàq na ma te dàq lii moom moo di yey nopp waaye tam mystique yoo xam ne maar day taali président Macky Sall nag ba mu koy xam ndew des naw xam bin Omar bun Xataab njiital valeur ne mu toll nii nag soo soobuuma ci benn combat politique maa ngi liggéey ngir yaatal samay base waaye daal nañu xam ne la ma génnee ci Dakar dem dikk mystique ko tàmbali yéy nopp daal di koy jeexal le peuple naan man général Diène Gueye ma ngay dal bu baax a baax ci kaw Amadou Ba gannaaw ba ni ubbi permanence UDP bu Birima Mangara ca Mbàkke général Diène Gueye daal di xamle ni amaduba ci boppam ànd ak moom moo di ànd ak daanaka jafe-jafe yi sénégalais yi jànkonteel at yi ñu génn moom moo di soobaat sénégalais yi ci misère waaye tam ne leen njëg yi ngeen di yokk baax na ànd nañ ci ne leen facture courant yi nga xam ne yokku na lool bëgg nañ wax leen ni leen ndaw yi amul xëy ci réew mi mujj wax leen ni leen sunu doom yi faatu ci màngaan yi it baax na wax leen ni leen feebar faju gi ci réew mi noonu la général ne leen lii am ci Mbàkke ñu ne moo ëpp nit ci réewum Sénégal day doy na firnde te boo seetee Mbàkke gii ñaar fukki junni ci baat Benno Bokk Yaakaar du ko fi am tey ji bu ñu waxee waxi gagné élection daal làmbaay mën na ñaaw l'enquête naan maan la nar a ñaaw kay moom moo di njàng meeg njàngale mi nga xam ne ëllëg bés bu jàngalekat ci dul jàngale ci réewum Sénégal Sénégal la moom Cheikh Omar Anne ma nga leen di xupp terewul jàngalekat yi ci boppam ne ñu talaata ji moom njàngale du am ci senegal Sénégal ndax nag lépp loo xam ne ak digee la nguurug Sénégal matalewu ko lii tax jàngalekat yi nga xam ne ñi ngi daal di sëngéem nekk ci tumuranke fas yéene nag soobu ci gréew goo xam ni maar day taali booba coow laa ca port autonome bu ak astab mi nga xam ne syndicat la ne du deltu ginnaaw ci xeex bi ñoom liggéeykatu port autonome bu Ndakaaru yooyee soobu ci gréew turbine yéene kaay naan maan Ibrahima Thiaw ma bokk ca syndicat ba def nan pàcc bu njëkk ci grève bi te xamaloon nañ boobee directeur bi ni ko anam wi nii liggéeyee lañ bëgg mu dakk tey jii nag tàmbaliwaat nañ ko te boo moytul nag daañu gàllankoor port otonom bu ndakaaru libération yéene kaay nan man maar day taali gi dëgg-dëgg mi ngi am ci sénégalais yi nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo ci réew mi bëgg dem barça yéene kaay bi naan man bari na ci ñoom ñoo xam ne moom barzàq la ñu mujjee wala yi daal di téere di bu ki juróom ñaari téeméeri sénégalais yii fanweer ak ñett ci ñoo xam ne faatu nañ seen néew génn na lu juróom fukk ci néew mi ngi des ci ndox bi marine bi rek daal dimbali benn gaal xam ne ñaari téeméer ñaar fukk ak benn ci ay màngaankat la defoon ña ngi ca fekk xale boo xam ne ma nga wasin ci gaal gi gàddu liir goo xam ne ñetti fan dong la am ak moom te budul woon ak marine bi day làmbaay ñaaw ndax dañoo paan ci digg géej gi ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm